Mes chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour à vous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette émission Le Niger sur kalango Au micro, c'est Samira Wafi et à mes côtés, Rekia Arimi. La technique d'aujourd'hui est assurée par Abdelkader Chambiano et à l'édition, nous avons Fantasham Soumegari. Alors, Rekia, comment tu vas ce matin Ça va bien, Samira, et j'espère c'est pareil de ton côté tout va bien, Dieu merci. Super, alors qu'avons-nous au menu ce matin Eh bien, Rekia, ce matin, comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'information avec Nafisa Sirfo, une bonne dose de musique. de la chronique Écho des régions, nous irons à Mayeyi, dans la région de Maradi, pour parler du rôle du comité d'évaluation des catastrophes. Il y aura également la page sport avec notre chroniqueur. Et aujourd'hui, chers auditeurs, dans la rubrique invité euh, du jour, nous recevons Farida Boubakar, alias La Marquise. Elle a une formation en communication et marketing et aujourd'hui créatrice de mode avec une touche bien particulière propre à elle-même. Aujourd'hui, avec elle, nous parlerons de mode et du choix de ces domaines. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est présenté par Nafisa Adamo Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Samira, bonjour Akia. Bonjour Nafisa. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou et bienvenue dans ce flash d'information. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdraman Chani, a nommé hier lundi 7 août un nouveau premier ministre. Il s'agit de M. Leminzen Ali Mahman, économiste de formation. Il a été ministre des Finances de l'ancien président Mamadou Tanja avant de se retrouver à la Banque africaine de développement BAD dont il est jusqu'à sa nomination le représentant au Tchad. Une délégation ministérielle du Mali et du Burkina Faso est arrivée hier lundi 7 août à Niamey. Les membres de cette délégation sont venus réitérer leur volonté de participer aux opérations de légitime défense du Niger. Face à la presse, le ministre d'État malien Abdoulaye Mega a annoncé que l'audience qu'ils ont eue avec le président du CNSP a porté sur les principales décisions qui ont été prises par les présidents du Mali et du Burkina Faso après les sanctions de la CDAO, notamment la solidarité très forte à l'endroit du peuple nigérien et également le refus catégorique d'exécuter ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple nigérien. Enfin, hier lundi 7 août, sur toute l'étendue du territoire national, les candidats de la série D du baccalauréat son 2023 ont repris l'épreuve de mathématiques, une reprise décidée en Conseil des ministres le 6 juillet dernier. Elle consiste à reprendre le sujet de mathématiques suite à des erreurs graves décelées dans la formulation de cette discipline, selon le professeur agrégé Ariel Moussa, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Cette reprise de l'épreuve de mathématiques a concerné 26 950 56 candidats de la série D repartis dans 114 centres d'examen, dont 21 à Niamey. C'est la fin de ce flash. Merci Nafissa pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt dans la rubrique invité du jour, nous recevons Farida Boubakar euh, alias La Marquise, une jeune styliste qui fait son petit bout de chemin avec un style voilé chic particulier. Alors Farida, comment vas-tu? Ça Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Et super, avant de donner la parole à notre invité, écoutons d'abord la première note de musique de notre sélection d'aujourd'hui. Il s'agit du titre Hadiza de Fessa de Bouri. rage daraja aure da kyau a bar hushi da ikon Allah da ikon Allah ya wuce Samira, ça fait une quinzaine d'années que l'artiste virtuose Sadou Abdou plus connu sur son nom d'artiste Sadou Bori, nous a quittés. Chanteur, compositeur, batteur, Sadou est né le 28 décembre 1964 à Maradi et mort le 26 juin 2008 au Nigeria lors d'un accident de circulation. Il débuta sa carrière musicale dans l'orchestre Goriba de Maradi avant de rejoindre le mythique orchestre Carnaval de Maradi dirigé par son oncle Feu Hassan Garba, une autre figure emblématique de la musique moderne nigérienne. Avec l'orchestre carnaval, euh, il connut la gloire et porta euh, plus haut euh, les flambeaux d'une musique nigérienne très très très belle, toujours en quête de son chemin. titre Hadiza de Fessad Bouri. J'espère que vous avez aimé ces titres, chers auditeurs. Passons à notre invité du jour. Alors, Farida, dites-nous, c'est quoi la mode pour vous Merci beaucoup. Euh, déjà, merci infiniment au studio Kalangu pour cette opportunité pour moi de m'exprimer mhm. sur votre plateau. La mode pour moi, euh, la mode pour moi, c'est tout simplement m'habiller et pour moi, s'habiller pour une femme musulmane, c'est être euh, décente. Donc, je me suis approprié la mode modeste, mhm. comme, bien, comme j'aime bien l'appeler. Mhm, mhm, et je me, le, je me le suis approprié et j'essaie de l'imposer à mes soeurs et elles adhèrent de plus en plus. Michel, d'où vient cet amour pour la mode Disons que j'ai évolué un tout petit peu dans le monde de la mode étant mannequin. Donc beaucoup de personnes ne le savent pas, mais même mon surnom Marquise vient de, de ce, de ce côté-là de ma vie. Pendant un bon bout de temps, j'ai été mannequin au Niger, une mannequin un peu reconnue parce que les podiums, notre religion, nos traditions, ça ne matche pas du tout. Mhm. Donc j'ai décidé de prendre un autre chemin et pour moi m'exprimer de la mode, c'est m'approprier ma propre marque de vêtements. Donc mhm. j'ai lancé Farida Collection. Voilà. Alors, vous ciblez euh, quel groupe de personnes avec euh, ce style, comme vous l'avez dit, décent et très chic Je. Vous, ciblez quel groupe de personnes Ce sont les jeunes filles, euh, les dames Je cible tout le monde. Mhm. Les jeunes dames qui veulent s'approprier la mode modeste. Quand je dis mode modeste, je, je parle dans le sens où jeunes filles comme femmes mariées ou pas, on est tout obligé de s'habiller décemment. Mhm. Et c'est cet aspect-là qui me plaît bien dans mes tenues. Mhm. Donc elles adhèrent pas mal. Elles, elles, sont, elles sont ciblées et là, comment on appelle ça Et le message les atteint et elles viennent de mieux en mieux. Mhm. Alors comment arrivez-vous à vendre vos créations Je suis sur les réseaux sociaux. La mode modeste que je fais, je l'ai connue sur les réseaux sociaux avant, nous connaissons tous la mode qu'il y avait. C'était la mode des podiums. Faire des créations, faire des collections et faire des défilés. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens ont, beaucoup plus le sens des outfits en ligne et tout. Mhm. Donc, plus je voyais, plus ça me plaisait bien, plus j'adhérais et plus mhm. j'associais les idées que je voyais sur Internet à Farida Collection. Mhm. Donc, j'ai lancé Farida Collection en ligne. Je continue, d'évoluer en ligne. Et c'est en ligne que se fait tout. La vente, les créations, c'est en ligne que je pose, c'est en ligne que les gens ils sont intéressés. Ils, ils lancent leurs commandes en ligne. Je confectionne et je fais des livraisons. Vous avez une formation en communication et marketing. Est-ce que cela vous sert euh, dans la commercialisation de vos créations ça me sert énormément, si j'ose le dire, même si c'est ce qui m'a le plus permis de, de garder les épaules un peu haut mm-hmm. jusque-là. Parce que ça m'a beaucoup permis d'avoir de, une technique d'approche envers ma communauté. Parce que, disons, avant même de lancer Farida Collection, j'étais un peu connue sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis servi de ça pour faire une approche avec euh, ma communauté, essayer d'annoncer de, de, d'annoncer déjà avant de lancer. Mhm. Et après avoir lancé, ça me permet jusque-là encore de communiquer avec ma, ma communauté, ne serait-ce que pour lancer mes, mes collections. Mhm, mhm. Donc, la communication intervient dans tout ce que je fais, que ce soit le marketing, que ce soit la vente. J'ai déjà une idée de comment approcher ma clientèle, j'ai déjà une idée de comment, euh, comment on appelle ça, vendre et j'ai déjà une idée de comment conserver ma clientèle parce que c'est ça le plus important. Bien, avant de continuer, faisons donc une petite pause musicale avec le titre Béret de l'orchestre 7 étoiles de Dalek. Donaro gaskiya baba zakariya yawo rebo baba la vie c'est derrière Guess it's it one. Bora ba considini do mori anno Kuli goni ba kaga boya Zama chindo bere ini gabay Chindo mo bere ide ini sidai mo bere shi dai shiri ne ai ban di zan ka kulwa da no a sai ne zan ka sai tere a kan nan zan ka sai tere ne zan ba ba sai tere ne barci to amana dai ni ga mai ci to mu amana dai ni ga ma barci to albarka no goya ci to mu albarka kulsi good in your time, you know, no. L'artiste Saham alias Dalik était l'un des chanteurs du groupe Tal National, mais depuis 2020, il décida de créer son propre groupe appelé Orchestre 7 étoiles et fait depuis son petit bout de chemin. C'est titre que vous êtes en train de kiffer et d'ailleurs euh, une de leurs dernières sorties. Bon vent à lui et son groupe. no matter my Ghana, couldn't C'est le morceau Béreille de l'orchestre 7 étoiles du Dalek. Et c'est le moment de retrouver notre invité du jour. Exactement, Rakia. Farida, on revient vers toi. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans le commerce en ligne avec la mode euh, les difficultés tournent autour de la confiance. Les gens, ils sont le plus souvent intéressés par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, surtout quand la personne est à l'étranger. Mais la personne a peur de l'arnaque, de, des trucs de ce genre-là. Et en matière de mode couture, les gens, ils, ils veulent bien payer en ligne, mais c'est toujours quelque chose du genre, je veux bien, mais j'hésite. Je veux bien, mais j'aimerais bien être sur place surtout nous avec nos tissus, choisir les tissus, faire les mesures, tout. Et quand c'est en ligne, c'est très très compliqué. Oui. Ah, parlant, tu as parlé maintenant des personnes qui sont à l'étranger. Si je comprends, à travers tes publications, tu cibles même euh, des, gens qui sont intéressés, qui sont hors du pays. Exactement. Disons même que ces gens-là sont venus vers moi. Mhm. Grâce à mes créations, grâce aux réseaux sociaux, grâce à mes publications, ces personnes-là ont découvert mes comptes et me suivent à peu près de, de, toute la sous-région, si j'ose le dire. mais mhm. Mes tenues partent euh, là où moi je ne suis pas partie <laughs> jusque-là. <laughs> et Alhamdulillah, disons même que la majorité de mes clientes sont à l'étranger. Mhm. Frida, à travers des publications, beaucoup de jeunes euh, filles veulent faire comme toi. As-tu des conseils à leur donner Exactement. Les clientes, disons souvent leur technique d'approche, les clientes et les jeunes filles c'est souvent de, commenter, et de commander plutôt, de venir vers moi en tant que cliente. Et après, tu verras les, le truc, le cours de, la messagerie va changer. Mhm. Ah, grande soeur je vois bien ce que vous faites. J'adore ce que vous faites. J'aime bien cette tenue. Mais d'ici là, moi-même, je voudrais lancer ma propre marque. Des trucs de ce genre-là, je mhm. reçois tout le temps. Mhm. Des messages de jeunes filles. Elles capturent, elles viennent, elles, elles demandent en gros d'abord. Et après, elles demandent comment est-ce que j'ai fait pour arriver jusque-là Elle pose énormément de questions et ça fait plaisir mhm. de voir que d'une manière ou d'une autre, même que c'est encore virtuel, mhm. ça, prend, ça prend un impact assez positif et c'est bien. Donc, mon message envers euh, vers toutes ces jeunes filles, c'est de faire comme moi. Je suis partie vraiment de rien du tout. Mhm. Disons que je n'ai pas fait grand effort pour lancer Frida Collection. C'était parti de tout simplement mes tenues je c'est comment on appelle ça c'est mes tenues, c'est ma manière de m'habiller que j'ai commencé à commercialiser. Mm-hmm. Donc, il suffit tout simplement d'être soi, d'être naturel, et puis ça vient comme ça, quoi. Mm. Parce que d'une manière plus ramassée, je m'habillais comme ça plus les gens sont intéressés, plus je prenais quelques sous avec <laughs> mes, amis, quelques personnes qui étaient intéressées, mhm. et je partais leur confectionner les tenues. Mhm, mhm, et c'était parti de comme ça, j'ai fait des économies. Puis après, je commençais à faire aussi des collections. Je publiais par collection. Donc si elles peuvent tout simplement faire des efforts sans vraiment trop demander, ça va aller de, de, très naturellement. Mm. Et j'espère que tu t'en sors très bien grâce à ça. Alhamdulillah. Quand je disais difficulté tout à l'heure, mm-hmm. c'était beaucoup plus dans, dans le domaine de, de, trucs, des commandes. Mm-hmm. C'est pas réellement dans, dans la vente. Mm-hmm. La vente, les tenues, tant que c'est bien fait, tant que la matière, la couture, tout est au rendez-vous, ça ne manquera pas de personnes qui est intéressée. Donc, on ne peut pas faire d'efforts euh, Sur ce point-là. on ne peut pas faire fois qu'il ne rentre pas l'appareil. Mhm. Mhm, mhm. Disons que, alhamdulillah, ça va. Super, on est très ravis pour toi. Merci beaucoup à toi, Farida Boubacar, alias la marquise, de nous avoir honorés et de ta présence ici au studio Kalango et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous et à <laughs> Studio Kalango pour l'opportunité. merci. merci. On te souhaite une agréable journée. Merci. Samira, à présent. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Samira, à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Nous sommes mardi et nous allons parler santé. Effectivement, Rekia, le VIH-Sida est notre sujet d'aujourd'hui. C'est une maladie présente au Niger et dans le monde entier. Et euh, il est plus euh, souvent mortel s'il n'est pas dépisté ou traité. Plus d'explications avec Dr Omoru Seibou, médecin responsable du service de prise en charge IST-VIH au niveau du programme national de lutte contre le sida et les hépatites. Il est au micro de Zenob Abdou Docteur, qu'est-ce que le VIH-Sida Le VIH-Sida est comme son nom l'indique, VIH, c'est un virus, virus de l'immunodéficience humaine. Ça veut dire que ça détruit les cellules de défense de l'organisme. Et c'est ce qui entraîne l'apparition des signes de la maladie qui constitue le sida. Donc, euh, c'est un virus qu'on peut attraper par trois voies différentes. La plus importante, c'est la transmission sexuelle au cours des rapports sexuels non protégés avec une personne infectée. La deuxième voie, c'est la transmission de la mère à l'enfant. Et la troisième voie, c'est la transmission sanguine. Et que en utilisant des objets souillés par du sang ou contenant le virus, on peut attraper le VIH. C'est aussi à travers la transmission sanguine. Lorsqu'on met du sang à quelqu'un qui, qui, présente une anémie, donc le sang là, si on n'a pas bien contrôlé et que ça contient le virus, on peut transmettre. Quels sont les symptômes du VIH-Sida Les symptômes du VIH-Sida, veut dire que c'est une maladie chronique. Ça veut dire que ça évolue pendant longtemps chez un individu. Au début, il peut, avoir, il peut ne peut même pas avoir de signes. Au début de l'infection, la personne peut présenter une petite fièvre qui passe quelques jours après, un syndrome qui ressemble à la grippe avec euh, la toux, l'apparition de quelques ganglions, mais ça passe. Puis maintenant, après ça, ça, il peut rester pendant plusieurs années, plus de 10 ans sans signe. Maintenant, lorsque le système de défense est, affaibli, c'est en ce moment-là que peuvent apparaître plusieurs signes comme la fièvre chronique au long cours, l'amaigrissement, en tout cas des diarrhées, la, la toux, peut-être qui peut être liée à la tuberculose, des maladies de la peau. Donc globalement, c'est des signes qu'on peut rencontrer aussi dans d'autres affections. C'est pourquoi maintenant, nous, on préfère que les gens se dépistent tôt, sans attendre d'avoir les signes, puisque comme je l'ai dit, on peut avoir le VIH et vivre pendant longtemps sans signes. Existe-t-il un vaccin contre le VIH-Sida pour le moment, il n'y a, pas de vaccin contre ce virus-là, mais il y a ce qu'on appelle euh, des traitements préventifs. Ça, c'est pour des gens qui ont euh, eu un certain risque, comme par exemple lorsque, dans milieu de soins, on, se fait piquer ou bien on est en contact avec du sang contaminé, on peut donner des, médicaments pour éviter que personne soit infectées par le VIH ou bien dans certaines situations pour des gens qui ont des comportements à risque, nous avons des médicaments que nous donnons pour prévenir mais il n'y a pas de vaccin proprement parler à l'heure actuelle contre le, VIH. Comment se fait la prise en charge du VIH La prise en charge du VIH eh, se fait au niveau des structures de santé. Et sur toute l'étendue du, pays au Niger, eh, nous avons plus de 130 centres de santé où on peut donner le traitement ARV. Il faut d'abord préciser que ce traitement-là est gratuit. Vraiment, on ne paye rien pour ça. Et toute personne qui est dépistée, on peut le mettre sous traitement. Et selon, mais il faut savoir que une fois qu'on met la personne sous traitement, elle doit continuer ce traitement-là pour toujours. Pour le moment, les traitements qu'on donne ne guérit pas de la maladie, mais ça empêche l'évolution de la maladie et ça permet à la personne de vivre normalement. Si je dis normalement, ça veut dire que la personne ne va pas avoir des signes, tous ces signes-là qu'on a décrits, et en plus, le risque de contamination est très faible. Et il y a beaucoup de gens qui vivent, qui se marient, qui font des enfants, et ces enfants-là n'ont pas le virus. Les ARV, comme leur nom l'indique, c'est des médicaments antirétroviraux. C'est des médicaments qui agissent pour empêcher que le virus se multiplie dans le sang. Comment se protéger du VIH Pour se protéger du VIH, il faut se référer au mode de contamination. Ça veut dire qu'il faut utiliser le préservatif lors de tout rapport sexuel occasionnel. Si on peut même s'abstenir avant le mariage et la fidélité dans le mariage. Maintenant, la deuxième voie par le sang. Là, il faut éviter l'utilisation des objets. Chacun doit utiliser ses propres objets pour couper ses ongles, par exemple. Et par exemple, lors de, la circoncision des enfants, on doit prendre les dispositions avec les, les wanzam pour que les matériels soient désinfectés ou bien lui donner soi-même une lame de rasoir pour qu'ils puissent faire la circoncision. Les, maintenant, c'est à la mode dans les salons de coiffure, les femmes font des tatouages. Il faut s'assurer que le matériel là est à usage unique ou bien qu'il est bien stérilisé. Pour la, prévention de la transmission de la mère à l'enfant, là, toute femme enceinte doit faire les constations prénatales. Une fois qu'elle va en constation prénatale, on lui fait le dépistage. Si elle est séropositive, il y a un suivi, un traitement arrivé qu'on lui donne et un suivi qu'on lui fait, et elle, une fois qu'elle a accouché aussi, l'enfant aussi est suivi avec des examens, avec un traitement préventif, et jusqu'à un certain moment, et pour s'assurer que l'enfant là n'a pas été infecté par la maman. Au cas où l'enfant est infecté, malheureusement, ça arrive quand la, la mère n'a pas bénéficié de suivi. Il faut le mettre sous traitement. Mais dans la plupart des cas, lorsque la maman a été bien suivie, l'enfant n'attrape pas le virus. Merci Zainabou. Poursuivons la consommation musicale dans cette émission Les Niger sur Kalango avec ses titres Cop Collé Collé de l'artiste Dumasi Di Hansi Bonkoyo. Dumasi ka aboga kai, Dumasi ka kai aboga, Dumasi fo sinigoga, ai suji no roni kisu wai jo iji amangu, yango sano momo sidano na wi Cop Collé Collé wa manga. sorti en 2007 et toujours très apprécié. C'est d'ailleurs parce que c'est une façon d'attirer l'attention des jeunes filles sur le comportement responsable. En effet, Rekia Masidi Hansi Bonkoyo est un chanteur qui conscientise dans la plupart de ses titres et nous devons reconnaître que ça lui réussit toujours. aminu fanda kwai discoteca tilwa na iga kwai aminu il kwai mini bana musa na iga te musa ir kwai mini bana abasa shi kwa fanda kwai abasa il kwai mini bana sapara pompe na iga kwai fonda ir ku fanda kwai sarjan hasana fanda kwai hasana ir kwai mini bana karma na iga kwai mai ga ina iga bai mace faruku shi kwa mamudu shi kwa Après cette pause musicale avec le titre Cop Collé Collé de l'artiste du dit Hansi Bonkoyo Samira. On passe à l'écho des régions. Effectivement, Rekia, et aujourd'hui nous allons à Mayeyi dans la région de Maradi. Les données fiables en cas de catastrophe naturelle comme les inondations et autres aléas font défaut pour ne pas dire erroné. Cela a dû, est euh, dû plutôt à plusieurs facteurs. Les comportements des victimes qui veulent à tout prix augmenter les pertes et aussi les membres du comité chargé de démembrer euh, les sinistrés n'ont pas euh, les rues du monde pour bien mener l'enquête des victimes. Amadou Chefoubaré est expert, est expert en l'évaluation et aux aides d'urgence. Il explique le rôle important qu'on attend des membres du comité d'évaluation des catastrophes. Il est au micro d'Issoufou Cheibou. Samun cikakkar ƙididdiga daga wata annoba wadda ta shahi al'umma kamar ambaliyar ruwan sama da sauransu shine dalilin horar da mambobin kwamitin ƙididdiga na ambaliya ta ruwa da sauransu bisa yadda ake yin raskonar ɓannat. An lura sosai mafi yawan ɓana da jama'a ke samu daga ruwan sama, samun cikakken labari yana da wuyar samu, abin da ke yin karan tsaye ga tallafa ma jama'a na gaskiya wa'anda ɓannar ta ritsa da su. Wace irin ƙididdiga ce ya kamata a samu, wadda za ta sawa da gaggawa a taimaka ma wa'anda ɓannar ta ritsa da su. Malam Ahmadu Shehu Bare, masani ne akan ƙididdigar wa'anda suka samu ɓanna. Muna ƙididdiga bisa kan wadda ya kamata a gudanar da irin wannan aiki. Tunda ka san wani lokaci eh, ana abu amma ba kan ka'ida ba mecece ƙa'ida shine ƙungiyoyi na duniya gaba ɗaya sun girka wasu eh, hanyoyi waɗanda ya kamata a bi in ana son a samu taimako bisa kan ire-iren waɗannan eh, abubuwa da ke faruwa cikin ƙasashen kenan ka shekara cewa ai mu mun samu matsala mun samu matsala in dai baka bi ta hanyar da su ɗin suka gwadi ba to lalle da wuya za ka samu taimakon su tunda sun haɗe za su ba da taimako amma kuma sun haɗi hanyoyin da ya kamata a ka'idojin su to ka'idojin nan in baka cika su ba ka gani da wuya su taimaka maka duk da raskunar wa'anda suka samu wata ɓanna ko rashin dukiya akwai ka'idodin da ya kamata a ce an bi don ganin abin ya zo daidai da yadda gwamnati da masu hannu da shunu ke so. Ma'ana babu wasu shahohi da mai wa'anda su ba su samu bannar ba amma kuma sai ka ga su don son rai na jama'a. To ita dai ka'ida ta fari shine ya kamata a san jimman mutanen da abun ya shahwa. Gida nawa ne mutum nawa ne wa'anda gidaje da suka fadi, menene yawan su kuma wani irin taimako ya kamata a kawo ma mutane in suna son su sake gina gidajensu wuraren da suke ciki ana iya amfani da su ko sai an nemi wa'ansu hilaye hilayen nan ta wace hanya ya kamata a biya a samu su duka duka irin waɗannan bayanan ne waɗanda bisashen su suka ɓace waɗanne eh, suka ɓadda bisashen su waɗanne irin bisashe ne suka ɓace kuma wani taimako ya kamata a kawo musu wannan aiki na ƙididdigar waɗanda suka samu ɓanna samun labari sahihi yana rataye akan wuyan kwamiti da magabata suka girka da kuma al'ummar da ta samu matsalar bannar su ne za su tsaye don hiddo labari na gaskiya rahoton nan na gaskiya wuyan samun gare shi tunda yana da danganta da tabi'o'in za ka samu mutum matsalar bata shaye shi ba amma dan son banza sai ka ga an ce a rubuta sunan shi an rubuta sunan shi me za a bashi sai ka ga kayan da ya kamata a ba wani can wanda abun ya shawa shi za a ɗauko a zo a bashi shi da abun bai shaye shi ba to shi din ne muke son mu ciwo kan shi ya zama wajibi jama'a wa'anda suka samu ɓanna ko ambaliyar ruwa a yi ƙoƙari a bada cikakken labari na waɗanda ɓannar ta shafa. Sannan kwamitin da aka girka don yin wannan aiki ya tsaya sai tsayin daka ya yi aikin shi yadda ya kamata don an ce aiki da tsambare ba kyawu. Très beau reportage euh, d'Issoufou euh, qu'on nous signale être en ligne déjà. Ina kwana muna layya? Lahiya limi kuna lahiya. Lahiya lo ya me A me yi lahiya limi. To madalla cikin rahoton mun ji ana cewa kamar taimakon da ake so a ba waɗanda suka samu wannan banna ko ta ambaliya akwai waɗanda ke bi ta can bayan zaure suna karbewa. To wace hanya ake bi don shawo kan wannan matsalar? Eh dan gudun dan kauce ma irin wa'annan masu yin katsalandan ko kuma wa'anda su abun bai shafa ba a tallafa musu aka ba kwamitin jihar mai yi horo bisa kai da ya kamata a yi ƙididdigan mutane wa'anda matsalar ambaliyar ruwa ta shafa. Kenan kokari ne ake a hido labari cikakke. sannan kuma masu tallafawa akwai tsari na musamman da ya kamata a ce an bi don ya zamanto an tantancewa da za a ba kuma a tallafa musu da ya kamata to madala isufu wani irin matakai ne aka ɗoka domin kiyaye wa'annan bannan. yawa matakan gida biyu suke mm-hmm. akwai masana wa'anda ko mu ce kwamitin da aka ba horo yadda zai ƙa'idodin da ya kamata ya bi mm. sannan su kuma mazauna karkara wa'anda abin ya shafa Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Alors Rekia, c'est le moment pour nous de passer au sport et nous sommes avec notre chroniqueur sportif Guruza Hassoumi. Bonjour euh, Guruza. Ah, bonjour Samira, bonjour Rekia. Bonjour. Alors le tournoi des grandes vacances de Dogonduchi a pris fin, n'est-ce pas Oui, effectivement, a débuté le 19 juillet dernier. Le TGV des moins de 17 ans de Duchi a pris fin le 3 août euh, devant un public euh, venu nombreux. La finale a opposé l'équipe euh, détentrice du trophée de la première édition, Académie FC, et l'AS Nassara, qui est à sa première participation dans cette compétition du donner et de recevoir. La chance a souri à l'AS Nassara, qui a disposé de l'Académie FC sur le score d'un but à zéro. Suivant la joie de l'entraîneur de l'AS Nassara, vainqueur de cette Coupe du tournoi des grandes vacances de Douki. Sanoussi Sani Marafa au micro de Hassan Abdou Arzika. wanga al'amari sai mu ce mun gode ma Allah mun gode ma Allah da ya gwada mana wagga rana ta cin kufkin TJV ED set da an ka dora a jihar Dogon Dutse malgire ke ekipkin mu sabo ekip ce kuma ta yi kokari Allah ya hada ta da nasarar da ta zo da sunanta an mun ka kai ga doka kuf muna gode ma kuma wa'anda sun ka taya mu tabul technique kuma da sun kai kokari sun ka gwada kokarin su da hankurin su bisa kan wagga taya Allah ya kara musu domin ci gaban arewa gabaki ɗaya. dan wanga kuf da muka same shi sai mu ce ba mu nasara bane mun Oui, c'était là Sanusi Sani Marafa, euh, qui est l'entraîneur de l'AS Nassara, vainqueur de cette euh, Coupe de TGV d'Uchi. Malgré sa défaite, l'entraîneur de l'équipe de l'Académie félicite son adversaire euh, vainqueur de ce TGV. Écoutons Amidou Dambaji, toujours au micro de Hassan Abdou Arzika. Vraiment, ça a été une bonne finale parce que vraiment le match a été apparemment Après, on a pu un but euh, d'une erreur euh, défensive. L'équipe adverse a su gérer jusqu'à la fin. Moi, je suis un sportif. Je sais perdre. J'ai perdu avec mes armes hein. convenablement. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas cherché à renforcer mon équipe. J'ai joué avec mon équipe bloc, donc je n'ai aucun souci. Mon objectif, moi, euh, dans ce TGV, c'est que les gens arrivent à lever, écarter leurs divergence. Nous sommes là pour préparer ces enfants-là pour demain. Moi, mon objectif, c'est d'encadrer les enfants à la base. La coupe oui, c'est vrai, c'est bon, si je l'ai gagné, il n'y a pas de problème. Mais je suis un sportif aussi, je sais perdre. Il y a trois choses, la neutralité, la victoire et la défaite. Donc il faut savoir engendrer ces, trois choses. Vraiment, Dieu merci que ça s'est passé dans les normes. On a gardé le fair play, on a joué, j'ai perdu, il n'y a pas de problème. Félicitations à l'équipe euh, gagnante, sinon il n'y a aucun problème. Bon, c'est pas grave, c'est le football, il faut ça. Les sports féminins nigériens est à l'honneur, n'est-ce pas, Grouza Oui, Rekia, le championnat du foot féminin au Niger a débuté il y a quelques jours après les face-à-face euh, au classement provisoire de la quatrième journée et le suivant. Acha FC occupe la première place avec 12 points, suivi de l'équipe de l'AS Garde, plus l'Antarki FC, l'AS Police, 9 points à chacune de ces trois équipes. En bas du tableau, nous avons Wombe AC, Alcalin Alcalin Football Club avec 0 euh, points. Nous y reviendrons d'ailleurs, euh, Recha et Myriam, plus en détail au cours de nos prochaines éditions. Merci, beaucoup, pour toutes ces informations sportives. Rekia, aujourd'hui, le portrait du jour nous amène à la découverte de Mahmoud Issoufou, né en 1992 à Niamey, dans le 5e arrondissement. Il a commencé tout d'abord par faire euh, du commerce du yaourt pour se lancer dans une spécialité de pause déjeuner lors des séminaires, l'accueil, la sécurité et les repas chauds. Aujourd'hui, il a créé sa propre entreprise appelée IASM il est, et il arrive à, grâce à elle à joindre le debout. Notre reporter Omar Hama est parti à sa rencontre pour son portrait. Moi, rien pause café, déjeuner, Uganda les repas chauds, Uganda accueil, plus euh, un peu de sécurité. Euh, eh, haya kan na ngai sin euh, avant yaour no aigite donc yaour kan ai gate ai hotel ya un hôtel la kan à si ali ahro bandana go igen no commande eh, minimum c'est 50 à 60 pour qu'il commande le maximum jusqu'à 600 pour qu'il commande donc ai koi yi wana do pose café ke yigite dit di mata kan yigite da euh je vu avec leur gérant comme maître d'hôtel, nous. Et je leur demandais petit à petit, il m'avait formé. Et voilà ce qui d'où l'idée vient à une entreprise créée. ISM Delicious Food, à mon son, avec Gisintingte, pause café, déjeuner. yadinka dayge hinga famu nongu fono adam be jandi kan ni diga dondon wala ni bonga de noni ka danga warite yongo kan ni na sintin Bon, aigin gane yin ka kullum. Zama euh, de formation système réseau informatique. Donc, euh, vu matakan ci na kwara ke drogo goda, ifo no gana ay imne wat kulkali mi gay no goy, tandis que har yango goni kan boray gi hingite. ha hakan fatta ay bonganwa. Maintenant, hayakan ne jandi de la manière dont ils le font boray igate no igote da. kan propriété gwara et puis ngware ne ya eh, ngware sanga sapta go ngware ra kwa hakan ne be di ay mateno to eh, mamadu na fafo go yo yowora to na fakan ngai duwara a bagum na fakan ngai duwara a bagum zama ba borai kan yan irda ni charbai wadin bo alhamdulillah an do wardo wadini Eh, borai kan yan kwantara a yi aigi sambugoi hunkun dai ni ce zurai ni ga a kul me a me ifo no goyo wura ya yani ga hunkuna alhamdulillah dai ne gine ga hingir famandi danga zan kamar no gogo goyni bande to son dai ai sinda kala cuisinier ige bora taki hôtesse ige borwai uh, eh, egon pâtissier hinka eh, da livreur hinkano goisi kayen waro samunan kai gahi na go konda nan ko ibo reunion wote me haya kan go gudu sande kai nufu no go gora ifo ti sanda nongu kan ga reunion aite kan saisi zama hotel le no gonde non kan yang reunion aite hotel ay mo di koy igine a igaisi no nongo kadai igai no ngwaro teise afo nɔ in kanta non gen gon ken yan ge mun to hotel i igite reunion ya non dira mo bore din hal ho igon di ge bore yan kan ige no gi ge ngware te ige bonse yani ga son da gi ngine ko ne de borsin nan kan ga reunion te wallahi activita de man te borni ga santiro hauno c'est pas facile to mamadu ke yon fono ni gonda danga jin fune do hare kambo to wallahi ke yon kan goise kiti Présentement, dai un business plan kan aite euh, pâtisserie dans da salle de réunion moderne kan won a un bla en bonne et uniforme juste accompagnement hinna go keki ai ma en œuvre aksine na qui keki kan gada en œuvre ai du boryan kan yanga i promettre mais jusque là churu churu na go mais sinon j'ai le business plan en main Merci à Omar pour ce beau portrait. Nous allons boucler notre sélection musicale d'aujourd'hui avec le titre Bob Barmota Naohi de Feu sous le Congo. On écoute. nauyi ga da ɗaukan kaya ga ta da shan bambam titre Muta Naoui de fait sous les concours. C'est l'heure du Loti Samira. Éduquer un enfant, c'est est un vrai challenge pour les deux parents. Ces derniers doivent s'investir à fond pour garantir à leurs enfants un bel avenir. Oui, mais certains font plus que euh, les autres et cela peut interférer dans leur but commun. C'est de cette question que traite le loti du jour. Laissons plutôt nos auditeurs s'édifier avec cet échange. Hey kike? Kai, mun daɗe da juna fa, kuma ke kuma ba a ganin ki sai lokacin biki. Wallah haka ne yaya ta lahiya ta lau wallahi na gode ma Allah. Gaskiya ki haƙuri, tsakanin aiki da yara shi ne ya ƙara rikita komai wallahi bani ma samun daman zuwa ganin 'yan uwa da amanan arziki. To, kina da gaskiya a hakan dai kai. To yaya kike? Ya kuma yaran nawa da babansu? To lahiyar Silau sun gode ma Allah. Kin san yaya in kina da ɗan lokaci kaɗan ina son mu yi hira da ke saboda in ƙaru da shawarinki masu mahimmanci. A ba matsala, zo mu koma gehe inda ba hayaniya. To, gaya mini. Kin san ya ko ta babban matsala tsakanina da mijina. Subhanallahi, me kike nufi? Gaya min da kyau in ji. Kin san yaran nawa ne ya hido ka su da mahimmanci da ni. Ami, ban nan ga gane ki. Yaya za ki yi irin wannan zancen? wallahi gaskiya nake faɗa miki to gaya mini dalla dalla in gane tunda ni abin hoya fara mai mini kai duba ki ga saboda mijina yaran nawa ba su ma girmar da ni sai dai kawai lokacin da baya nan ne na suke samu masu dan saurare ni kula da gidan nawa ma sai in baya nan ne hankali na ke dan kwanta na yi shi ami me kike nufi a cikin wannan zancen a cewar mijina bani da wani inci in tambayi 'ya'yan nawa ma su yi mini wani aiki ɗan guntun aiki ni ce ya kamata in yi komai in ma ni ina da bukatar in yi mai magana in yara sun ce su ma suna son su yi hira da shi to wallahi nawa shikenan zancen nawa shikenan ya faɗa ruwa komai mahimmancin maganar ya kamata ya kare da yara sannan ni ya saurare ni subhanallahi menene wannan kuma kin san da dai bani miki ƙarya abin yana bani mamaki abin da kike gaya mini yana bani mamaki sosai to kuma gaskiya ce tsatsatta na gaya miki haka rayuwa ta take ban ma san inda zani sa kaina ba yanzu haka kin taɓa yin ƙoƙarin ki yi wannan zancen da shi wallahi sau da yawa na so mu yi magana da shi amma kawai sai ce mini jinini na daina yi yawa ba wani abin magana ba ne to kai abin nan da kike haɗi gaskiya yana ɗarmi kai in an ga mijinki kuma kaman wani salihi kaman ba mai yin irin wannan abin da kike haɗi mini ba shi inda ne babban matsala dan shi ne kike ganin ba ni ma in yi magana da wani saboda ko na haɗi wallahi da wuya a yarda da ni ke ma dan kina yar uwata ne haba ami ke fa ya kamata ki ja hankalin mijinki bisa kan wannan yanayin bisa kan wannan halayyar da yake yi in ba haka ba fa tarbiyyar iyanku zai lalace kamar yadda yaran suke da inci akan shi haka ke ma matar shi kina da inci a kan shi ai wannan ne kullum nake nema in kwatanta mishi amma kash ba ya ji mijinki bai san ba da cewa in yana irin wannan halayyar yaranki ba sa girmama ki ba ba sa ɗauki zancen ki ba wannan kuma ya kai ga inda za su ce baban nasu ya yi son su da ke kuma wannan babban matsala ne ai abun takaicen ma ya ya safi ki duba ki gani fa in baya nan ya nan hankali kwance duk abin da na ce haka nan suke su zamna ɗan amma da ya ɗauko kafa ya shigo cikin gida to wallahi komai ba ki iya sa yaran nan su miki saboda da kin yi ɗan magana kaɗan za su gudu su shiga ƙarƙashin ƙawahun shi su ce gashi nan kin musa haka kin musa haka sai a aza kuma wani takura musu kike in baya nan. to duba ki ji ame wannan dai mafitar da ita ce ki je ki haɗi ma manya tunda babban matsala ce kuke nan ga shiga tarbiyyar ku yana cikin hatsari hana yara su yi miki aiki kamar aiki mai wuya wannan ana iya ganewa amma a ce ya fi fifita su da ke wannan gaskiya abu ne da bai kamata ba gobe gobe wannan ki je ki tattara manya ki gaya musu matsalarki to na gode ya yi safi da wa'annan muhimman shawarwari da kika bani haka zan yi insha Allahu don samu in shawo kan wannan matsalar ba matsala ami ki yi kokari dai ki taiki ga manya in Allah ya yarda matsalar ki za ta warware Chers auditeurs, c'était les lotis offerts par le desk femme du studio Kalongo. Alors, Ekia, et pour la culture linguistique de ce mardi, nous allons, voir, nous allons plutôt avoir l'explication du mot soutien en français et en Hausa avec Asumane Shina. Bonjour Shina. Bonjour, euh, Samy, bonjour Rekia. Et bien, comme vous le savez, peut-être euh, l'un des mots qui revient assez sur les lèvres ces derniers temps au Niger, c'est le mot soutien. Et c'est la suite au changement du régime intervenu dans le pays. Nous allons donc vous faire découvrir euh, ce mot soutien. C'est un nom masculin dérivé du verbe soutenir. Il désigne l'action de soutenir quelqu'un ou une position, contribuer donc au maintien ou à la réussite de quelque chose. Le soutien peut être moral, il peut être financier comme il peut être matériel. Et on peut citer comme synonyme de ce mot soutien apport, appui, aide, encouragement, assistance. je vais expliquer un peu en hausa donc euh, soutien a hausa ana cewa kamar taimako ko kuma kawo goyon baya ga wani abu ko wani matsayi haka e, wato taimako don ganin wani abu ya zamanu ko kuma wajen ganin an ci nasara akan wata manufa haka misali wato kuma ana iya kawo goyon baya ta hanyar ra'ayi kawai mm-hmm. ana iya kuma ba da kuɗi ko kuma ana iya ba da kayan aiki mm-hmm. a takaice abin da zai ce kenan merci. Merci pour cet éclaircissement et chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions donc, vous dont vous souhaiteriez avoir l'explication, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Rekia, c'est le moment pour nous d'écouter les messages de nos auditeurs. suna na hamisu banda ina nan garin agaras ina shuraren radio kalangu saboda duk labarun da muke shurare tana yi babu na goge ciki gaskiya ne take gai amma guri guda ne muke so ya zamanto sun gyara tahiyar radiyon su yadda al'ummar kasar nijar za ta shurare su fiye da yadda ba su zato domin gadi shi rashin da take na labaru faransan nan shine take fara sawa an son samu ne hausa ya fata a fara sawa wanda mutane za su shurara na fatima ta auwa nan karce tefe nake a agaris ina sauraron su kullum ma da mare sai wani bi filin su karami ne ba ya isan mu haka masu wuraren labaran kwarai sunana muhammad yunus mushe ne agaras ina sauraron program na studio kalingu abu ne mai kyau kuma da kawai waye kai kuma yana ba matasa kama su faɗi ra'ayoyinsu sunana ramu cikin agaras ne abin da muke so mu mata an ba mu dama mu dinga samu muna magana tunda gaskiya radiyon su duk wanda ya tsaya na saurare akwai gaskiya cikin abubuwan nasu abu da yawa na ɗaukar darasi studio kalangu gaskiya suna nishatar da mu suna faɗarkar da mu saboda muna sauraron abubuwan su diyawa wanda suna samun farin ciki gaskiya muna jin daɗin shirin su sosai gaskiya akwai wani shiri na rana a bisan rezo ne muke sauraron shi amma muna so a yi kokari a samu na shi a cikin ka mu ringa sauraron shi saboda bisan rezo wata rana zai kasance baka da mega ina gaida dan uwana ibe sarjan na fan a garin difa ina gaida dan uwa na DJ wanda yake garin Zandar. Ni dan Nijar ne, haifaffen dan Nijar ne, amma mazaunin cikin garin Najeriya, e, eh, wato Damasak. E, gaskiya da yake tsakaninmu da Nijar din ba ta da nisa, muna kama radio wannan radion alternative kuma e, shirin na studio Kalangu ne. Yana kayatar da mu sosai, muna jin daɗi dukkanin labarin Nijar muna samun a wannan radion Kalangu. Gaskiya alhamdulillahi dukkanin labarin Nijar muna samu a albarkacin Radio Kalangu. Chers auditeurs, Studio Kalangu, c'est aussi et surtout la grande édition du soir. Et nous sommes avec Rukayeto Abdraman, notre collègue chargé de présenter le journal en français. Bonjour, Kaya. Bonjour, Rekia. Bonjour, Samira. Ça Bonjour, va Ruki, quels sont les grands titres de ce soir Alors, à suivre dans le journal du soir, face aux sanctions infligées au Niger par la CDAO suite au coup d'État intervenu le 26 juillet dernier, les ressortissants nigériens vivant à Birninkoni, ville nigérienne, frontalière frontalières du Nigeria réagissent face à la situation. Toujours face à la même situation, la coopérative des producteurs douaniers demande à ses membres de limiter la production à cause des sanctions de la CDAO. Les détails à suivre dans l'édition du soir. La partie magazine de cette édition sera consacrée aux femmes de Adabdab, une l'une d'entre elles qui est gestionnaire d'un fourrage d'eau. C'est tout pour les titres. Rendez-vous est pris à 17h, fidèles auditeurs. Merci Alors, merci. beaucoup, Kokaya. On se dit à 17h. Et euh, vous, chers auditeurs, on reste ensemble avant de se dire au revoir. Écoutons ce titre de euh, Akazama de Duchi. Le titre, c'est Shakirari. sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Rekia Arimi et Samira Wafi. C'était encore une heure de bonheur et de plaisir partagé avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau numéro avec un autre duo. À la technique, c'était Abdelkader Tiambiano et Fanta Soumegari à l'édition. Excellente journée à vous et à, bientôt.